à son article L92 conséquence de bu c'est comme si Djoumoul. parce que c'est la loi là qui lui protège Nous ñoo nangu ah. à moins que ñu faire une révision constitutionnelle pour nous dindi l'eau. mais nous sénégalais nous en ni que conséquence même bu d'ailleurs on les a appelés des sages hmm. bu c'est comme si Djoumoul. maintenant ce qu'on voit aujourd'hui au Sénégal conseil constitutionnel ñu accepté ci lolu ba paré li même bu juumee c'est comme si juumul dañuy bayé mu jall parce que bu défé ba bu assez ba publier officiellement. nit amul sañ-sañ def benen voie de recours ñun ñoo nangu lolu maintenant bu ñu ñëwaaté tay jaar assemblée nationale pour reporter élection lolu la la ne. Hmm. encore c'est de l'amalgame. Hmm. c'est une confusion. qui entre à travers des soupçons de corruption ñu randal élection corruption soupçon lañu am bu soupçon amener une corruption mais on a une justice faite pour ça on a une justice faite pour ça Moi, là, mon je suis un nga euh, constitutionnaliste j'ai oublié son nom il est français mais je suis d'accord je suis entièrement d'accord avec lui sëñ Fallou nga bàyyi ma ma tijji fenêtre boobu fenêtre en 30 secondes parce que boo gisee ñu am confusion l'erreur est naa tey dafa ñu nous ñun sénégalais tu lu tu ci constitution d'abord ñu hmm. la création de la cour suprême et du conseil constitutionnel. erreur là erreur là erreur gantoué a l'olo. erreur bu mag la mënul am conseil constitutionnel am cour suprême les deux les deux jouent le même rôle jumte la. gis non non le conseil constitutionnel mooy tribune bu gën au Sénégal. c'est électoral la mën na juger tous les les les lois. mën euh, ah. na juge juger entre civil. mën na juger tout c'est la constitution légale. Ça c'est-à-dire que dama lay wax le constitution nan nan ci yane anam lañ ko créé. Mm. Abdou Diouf moko créer en 1992. Mm. mu jëlé ko inspiré ko ci la France xam nga France kan la créer créé conseil constitutionnel en 1958. en 1958 xam nga France fa la jëlé conseil constitutionnel ci euh, Allemagne Allemagne moo en 1950. Allemagne moo njëkk créer conseil constitutionnel Allemagne bu créé conseil constitutionnel amul cour suprême. France crée créé conseil constitutionnel France le cour suprême États-Unis a un cour suprême amul conseil constitutionnel Sénégal kese moi am conseil constitutionnel conseil constitutionnel ba pare am cour suprême les deux c'est c'est la même chose. nombre MPS, Fils 5, Fils 7. c'est-à-dire que le le premier njuumte bi le le premier njuumte bi. France moi, je suis moi conseil constitutionnel je dafa créer conseil constitutionnel bon pareil, amul cour suprême wala am cour suprême amul conseil constitutionnel les états fonctionnent comme ça parce que la cour suprême peut jouer le même rôle que le conseil constitutionnel Mais à la la création en 1992 du conseil constitutionnel. Hmm. c'est la cour suprême qui gérait les élections. Hmm. Hmm. c'est la cour suprême qui gérait les élections Sénégal commencé à voter en 1947 nous a commencé voter c'est du tay du yagna la cour suprême qui gère tout ça mais quand on crée le le le conseil le comment le conseil constitutionnel et on maintient la cour suprême gis nañu fi ñaari sa tout ñu dugg en connivence qui quand les avocats de Ousmane Sonko ont déposé une loi sur euh, l'exception d'inconstitutionnalité mm. ils ont tout tuuti ñu jaxasoo ñaari qui ne man pas koy juger qui ne déedéet pas sañ-sañ juger gars tok ci médias di wax non en réalité cour suprême dafa war a jëbbal euh, jugement bobu conseil constitutionnel vous voyez vous voyez. le juge Abdourahmane Diouf rejeté ko. Oh, voilà vous voyez li li dinañu dabaat encore ci kanam tant que mu ngi am conseil constitutionnel am cour suprême. mais c'est ça la défiance des deux. li man maa koy juger ki ne la déedéet man maa koy juger en réalité boo créé conseil constitutionnel da nga wara supprimer ben soit tu maintiens la cour suprême et tu zappes euh, comment euh, le Conseil constitutionnel, soit tu maintiens le Conseil constitutionnel et tu appelles la Cour suprême. C'est la même chose. Moi, là, le premier fait Conseil c'est-à-dire que, il ne faut pas que nous mélanger les choses. Disons ce qui revient à Pate il faut lui donner ça. sëñ Fallou loo c'est dañu ne Fallou am sañ-sañ wala ko di ce qui di ci non nañ ko ko pas c'est bi état responsable non les missions régaliennes de la gendarmerie reviennent à la gendarmerie. Hmm. les missions régaliennes de la police nationale reviennent à la police nationale. les missions régaliennes du sapeur pompiers mais reviennent des sapeurs-pompiers est-ce que mës nga gis incendie nga gis fa gendarmerie dina ndey fay incendie lak lak bobu ko je il pose la question. donc est-ce que mës nga gis gendarmerie wala police ñu taxaw yore sen fi dina dañuy fay ay ci incendie mais mënul am parce que dañu ne ku am bu la pourquoi les gens prennent.

nous devons oublier encore les pages de la constitution les leen lii ak li ak au cas où ñi ñi bu on attend des sept sages nous devons andi le document là le livre sacré du Sénégal qui est la constitution oublier ces pages fàttali nit parce que dañoo faté nit nous dañoo faté sëñ bi assemblée nationale boo gisee mu nek ci ay parce que dañoo fàtte sénégalais dafay fait Nous, nous avec notre nature Nous dañoo faté Nous xaar conseil constitutionnel señ bi Nous ñun conseil constitutionnel mu dem andi le livre sacré ñëpp ci c'est une charte charte toute une nation qui a juré de respecter les articles et la constitution toute une nation qui a juré gis nga juré yàlla lan la ko jël dafa sacré ci yàlla waat se comme si nga ne billaahi gis nga billaahi boobu egg na fépp ci septième asamaan egg na fa moom nga taxaw ni ne billaahi ñu nekk ci asamaan septième asa asamaan bi dëgg nañ la parce que c'est sacré ci ci yàlla nit warul waat ci lu dul dëgg mais ñun mënuñu waat ñun la nation sénégalaise ñu ne dañuy lois wala tallahi loi yi la ñuy créer loi yi ñoo féetoo kaw bépp sénégalais te loi yi te constitution bi ñëpp ci moom la ñuy bu fekkee bëgg nañu am jàmm mënuñu wàcc loolu ba pare ñu gis ay nit di manœuvrer waroo carrément ak ñun lu ñu est-ce que c'est normal je te pose la question est-ce que c'est normal c'est pas normal c'est pas normal. c'est comme si nga jàng alquran ba pare xam li fa ne ba pare nga ñëw nga ne dangay ngay def lu safaano ak alquran alquran am ay tere yu mu la wax tere la lu bëri nga dem nga ne yow jàng na alquran ba pare mais da ngay da ngay def lu la neex. mais est-ce que da nga jàpp mais ñun Sénégal loolu la ñu. moo tax nga gis ay juristes ñu jàng ba pare prêter serment. ba pare ñu ñoo nek ci ay caaxaan. est-ce que jàpp doo nekk si benn état bu exceptionnel. yooyu yàlla da lay dugg gis nga yoy yoy atte yoy man dem ba ci kanam. est-ce que jàpp doo nekk si benn situation bu exceptionnelle mesure exceptionnelle euh, démarche exceptionnelle. c'est-à-dire que. il y a là on parle du. il euh, y a pas crise il y a pas de crise au Sénégal. ils veulent nous faire croire qu'il y a une crise au Sénégal sëñ il <laughs> y a pas de crise il y a pas de crise au Sénégal encore une fois Sénégal amul crise. Il n'y a pas de crise. Hmm. Ça veut dire qu'ils veulent faire à euh, l'opinion internationale au Sénégal, on ne vit pas. Il y a une crise des institutions. Les institutions fonctionnent à merveille. Même institution, Amoul Boulokis. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a voté des lois. Lolo, si on a une crise, nous sommes en train de faire auto, déparer sen cœur, l'Assemblée nationale. Si on a une crise dans ce pays, vous de aller travailler, mais malgré ça, ils veulent nous faire croire que on est en crise, alors que c'est faux. C'est faux, on n'est pas en crise. Ça dit que quand quelque il faut yalla c'est à dire que Fongen Moïtounit, moytu nit bo xamantene da fay allumer le feu Bon paré, il vient coup du jeu au chapeau pompier c'est c'est à dire que tu vas euh, euh, cette cette cette cette cette loi là ça dit dire que cette loi bu ñu jàllalee assemblée nationale. Mm. leur pratique leur mécanisme de base yoo xamante ne moom la bëgg sénégalais mm. notamment la crise bi ngay wax. Mm. gis nga la la CIA gis nga le métabolisme de base. gis nga loolu lañ doon jël di manipuler les états inférieurs états yi gën a ces ces genres de pratique lañ doon jël di manipuler les États-Unis mm. la CIA ça dit que que avons fait que état bu am jàmm même ça je la métropole l'Hexagone la France ça, dem na ces arts de pratique ça dit que dañuy avons fait un pays stable une nation stable nous crée créer de la zizanie dañuy contrôler jël les faibles convaincre les faibles retourner contre hein, euh, euh, les plus forts pour nous créer de la zizanie. Après, eux, aussitôt, après, ils vont venir jouer les sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont vous faire croire que vous êtes en guerre. Il y a une rébellion en Casamance. Ils vont vous faire croire que les Cas... C'est ça, c'est ça, Annie.